le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, il est 18h15 à Niamey. Bonsoir et soyez la bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du studio Kalangou. Une émission dans laquelle se font des échanges sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le studio Kalangu diffuse à travers ses 45 radios partenaires répartis sur l'ensemble du territoire national du Niger. Le thème, objet de notre débat ce soir, s'articule autour de la question de la place et du rôle de la jeunesse nigérienne dans le processus électoral. Quelle est la place qui est réservée aux jeunes Nigérien dans les institutions politiques pour la préparation du processus électoral, comment s'organise la jeunesse nigérienne pour participer au processus électoral prochain et quel rôle elle joue dans ce processus, auditeurs et auditrices. C'est donc pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et bien d'autres que nous avons invité M. Abdelaziz Mamman Mayaki, qui est le chargé à la communication deuxième adjoint au niveau du BEN OJT, le bureau exécutif national de l'organisation des jeunes Taraya. Nous avons également invité monsieur Nassir Bodo, qui est le président du comité exécutif du directoire du mouvement Tous pour la République, et également M. Ibrahim Bana, mais qui n'est pas encore présent pour la tenue du présent forum. Pour ce qui est de la modération, vous êtes avec euh, Bakim Batouré Al-Mustafa. La Constitution du Niger dispose en son article 3 que la République du Niger est un État unitaire, elle est une et indivisible, démocratique et sociale. Il a résulte de cette disposition qu'étant un pays démocratique, le Niger est appelé à organiser périodiquement des élections pour assurer l'alternance au pouvoir, qui est un principe phare et une condition nécessaire en démocratie. C'est dans cette logique que la Constitution du Niger a prévu également en son article 6 une institution qui est chargée de l'organisation et de la supervision des élections qui mettent en compétition plusieurs partis politiques puisque le multipartisme est admis au Niger, mais aussi des candidats indépendants. Ainsi, cette institution, la CENI, est aujourd'hui de plein pied dans l'organisation du processus électoral au Niger et a fixé les dates pour les élections présidentielles premier tour couplées aux législatives pour le 27 décembre 2020 et le deuxième tour pour le 21 février 2021, alors que les élections locales se tiendront avant le premier tour, soit le 13 décembre. Les partis politiques sont donc en pleine préparation pour affronter les échéances électorales. Il faut cependant noter que la jeunesse du Niger, qui constitue plus de la moitié de la population, a depuis longtemps été marginalisée ou laissée à la marge du processus électoral, même si on assiste ces dernières années à un changement de mentalité des jeunes qui s'intéressent de plus en plus aux questions politiques en intégrant des partis politiques ou en créant leur propre structure pour participer à la vie politique de l'État. Cette participation de la jeunesse nigérienne à la vie politique de l'État n'est pas sans obstacle et donc constitue une question importante qui mérite un traitement minutieux. Pour ce faire et pour faire une bonne entrée en matière, nous allons demander à nos invités de nous dire au sein de leur organisation respective quelle est la place qui est réservé aux jeunes pour la préparation du processus électoral. Nous allons donc commencer par demander à Abdelaziz Maman Meyaki, qui est le chargé à la communication deuxième adjoint au niveau du Ben OJT, l'organisation des jeunes Tareya, de nous dire quelle est la place qui est réservée aux jeunes au niveau de leur structure pour la préparation du processus électoral. Eh, merci Mustapha. je commence par dire que euh, de façon globale, pas seulement au niveau du pND Tareya, la jeunesse constitue euh, la crème essentielle dans le processus électoral, en ce sens qu'elle euh, constitue une frange d'âge qui est pleine de vigueur, n'est-ce pas, et, qui brille également par sa démographie est beaucoup plus importante que les autres couches. au niveau de l'organisation de la jeunesse Tareya, j'allais dire que c'est une structure qui est dédiée aux jeunes et, et qui constitue un des bras armée de notre parti. Parce que au-delà de la structure euh, mixte qui est le bureau politique national et ses démembrements, il existe des structures de masse comme l'organisation des femmes Tareya, l'organisation des jeunes Tareya, qui sont les deux bras armés de la structure euh, mixte. Et, comme telle, elle joue également euh, un rôle important, surtout du fait qu'elle a conscience, n'est-ce pas, de la force qu'elle représente en tant que couche sociale, du nombre, n'est-ce pas, et surtout de la qualité, parce qu'il faudrait dire que c'est la population active, c'est-à-dire celle eh, qui se trouve entre le début de la maturité politique, n'est-ce pas, et un âge avancé où on ne pourra pas peut-être eh, organiser certaines manifestations, certaines activités eh, politiques. Donc, et c'est pour dire combien de fois cette couche est extrêmement importante. Et c'est pour cela qu'au niveau de notre organisation, au niveau de notre parti, il y a une structure qui est dédiée à la jeunesse. Et à l'intérieur de cette structure-là, la jeunesse trouve un cadre idéal pour pouvoir participer pleinement, et non seulement au processus électoral, mais aussi à la vie politique de façon générale. Euh, d'accord. Merci, Abdelaziz Maman Meyaki. Nous, allons revenir à notre invité, euh, Monsieur M. Nassirou Bodo que le président du comité exécutif du directoire euh, Mouvement Tous pour la République, nous avons remarqué à travers euh, certaines de vos publications sur les réseaux sociaux que votre mouvement s'organise pour participer au processus électoral en cours. Alors euh, dites-nous quelle est la place qui est celle des jeunes au niveau de votre structure. Bonjour, bonjour à Ablaziz, bonjour Monsieur Mustapha. Et d'entrée de jeu, moi, la question à laquelle euh, vous m'invitez à répondre, c'est que nous, c'est nous-mêmes qui sommes acteurs, nous jeunes. Et on n'a pas exigé une place, on n'est pas confiné dans une euh, quelconque structure de jeunesse qui soit logée dans un parti comme c'est le cas des partis traditionnels. Nous, c'est nous-mêmes, en tant que jeunes, qui, qui, sommes acteurs de cette structure. Et nous, nous comptons effectivement nous présenter aux élections et aux deux niveaux par euh, réalisme et aussi parce que les contingences politiques sont telles qu'elles sont au Niger. Donc, nous allons au municipal, et, ou disons au local de façon globale, et au législatives. Et pour euh, revenir euh, sur la question de la place de la jeunesse, en tout cas, nous, chez nous, c'est comme je vous ai dit, au mouvement Tous pour la République, c'est nous-mêmes qui sommes acteurs, c'est nous-mêmes qui avons décidé de nous engager en politique, non pas pour être bras armés, c'est nous, en tant que jeunes, femmes comme hommes, qui avons décidé de, nous constituer en des listes de, de candidatures indépendantes pour les élections à venir. Parce qu'il y a ceux qui pensent que bon, c'est peut-être un parti, c'est une ONG, c'est ci, c'est là. Non, il ne s'agit pas d'un parti pour le moment. Il s'agit juste d'une structure qui est là, qui a été créée par des jeunes, qui est pilotée par des jeunes et qui compte présenter des listes de candidatures indépendantes qui seront constituées par des jeunes. Donc, euh, si nous comprenons bien, votre structure n'est constituée que des jeunes. Il n'y a pas euh, d'autres personnes. Il n'y a, il n'y a que des jeunes. Et parce que la moyenne d'âge, moi qui vous parle, je n'ai même pas l'âge d'être président mais on a des jeunes, des plus jeunes et des moins jeunes que moi, par mm. exemple. Et effectivement, sur la question de l'âge, nous, nous avons trouvé une autre définition à la jeunesse. Nous ne confinons plus la jeunesse dans les fourchettes de, la limite d'âge qui est 15 à 35 ans. Non, loin de là. Pour nous, et politiquement jeune, tout celui qui est porteur d'idées nouvelles et qui est capable de pratiques politiques nouvelles. Parce qu'en tant que jeune, on se dit, bah, écoutez, si chaque fois on est dans les fadas, on s'organise en FADA pour seulement contester, pour seulement se lamenter. On s'est dit, ben, écoutez, pourquoi nous, en tant que jeunes, on ne peut pas s'activer et être acteurs nous-mêmes Et quand on est allé dans le fond du débat, on s'est dit, mais écoutez, les mêmes pratiques que nous sommes en train de, dénoncer ne sont pas, disons, l'œuvre d'une classe politique liée qu'on peut apprécier par rapport à l'âge. Non, c'est pas par rapport à l'âge, parce qu'il y a des jeunes qui sont en politique et qui perpétuent les mêmes pratiques qui sont en train d'aider à soutenir les mêmes pratiques qui sont là et que nous, nous dénonçons. Donc pour nous, la jeunesse en politique, ce n'est même pas lié à l'âge, c'est lié à l'état d'esprit. Ça veut dire que quand tu es porteur d'un projet nouveau hum. et d'un projet innovant, pour nous, tu es politiquement jeune. Bah, merci, merci, euh, monsieur Nassir Bodo. Nous allons observer une euh, toute petite pause euh, avant de revenir parler de l'organisation et des moyens qu'ont les jeunes pour participer aux échéances prochaines. Alors, euh, merci. Euh, nous allons revenir euh, vers vous, monsieur Abdelaziz Maman Meyaki. Vous êtes le deuxième adjoint chargé à la communication au niveau du BEN OJT, Bureau exécutif national de l'Organisation des jeunes Tarea. Dites-nous, comment est organisée la jeunesse pour participer aux échéances électorales en cours Quel rôle joue la jeunesse concrètement et quels sont les moyens dont elle dispose. Eh, merci Mustapha. Avant de répondre à votre question, <clears throat> j'aimerais répondre à une injonction de M. Bodo sur le concept de bras armés que j'ai utilisé. Eh, je pense qu'il faudrait qu'on soit sur Terre. Chaque parti politique a son mode d'organisation propre à lui. Et quand je dis que l'OFT et l'OJT sont les bras armés du bureau Mix, cela ne signifie pas que dans le bureau Mix il n'y a pas de jeunes. Il y a des plus jeunes que toi dans le bureau Mix du PNDS Tareya. C'est une question d'organisation. On estime que chaque couche, en tant que couche, elle a un rôle à jouer. Et c'est comme ça, c'est pour cette question de répartition de travail, c'est pour cette question de, de, répartition des tâches, et pour que chacun puisse aller travailler à l'intérieur de sa couche, qu'il y a eu cette organisation-là au niveau de notre parti, au niveau de notre parti, le PNDS Tareya. Et je pense que c'est valable pour tous les autres partis qui ont ce type d'organisation-là. Vous avez certes un mouvement créé essentiellement par les jeunes, mais je pense que et le réalisme politique, si vous voulez vous lancer dans la politique, évidemment, vous ne pouvez pas chasser un moins jeune que vous. Ce n'est pas possible. Donc, il doit avoir sa place, sauf si il y a dans votre texte ceux qui excluent les plus âgés, et ça, du point de vue politique, c'est tout simplement pas démocratique, je pense, parce que un citoyen, il doit avoir la latitude de pouvoir intégrer le mouvement qui l'intéresse pour pouvoir participer. Et moi, j'ai vu où je perçois la participation politique, non pas seulement en termes de partis politiques. Et aujourd'hui, tous ceux qui participent à l'organisation des élections, tous ceux qui participent à l'animation de la vie démocratique, moi, pour moi, c'est des acteurs démocratiques. Et donc, votre mouvement, avant que vous ne déclinez, par exemple, votre intention de participer aux élections, je considère eh, votre, eh, votre mouvement comme eh, un participant à la vie démocratique de notre pays. Et donc, de ce point de vue, je pense que tout est clair par rapport au concept bras armé du parti. Cela ne fait que, si vous voulez, renforcer l'organisation du parti. Cela ne fait que renforcer le travail qui est fait à la chaîne, eh, n'est-ce pas, et eh, au niveau oh, du parti. Ce n'est pas un confinement non plus, comme tu l'as dit. Et moi, personnellement, je suis dans le bureau mixte à tous les échelons et je suis de l'organisation de la jeunesse Taraya pour pouvoir m'adresser aux jeunes et organiser des choses avec les jeunes. Mais cela note pas ou n'entame rien ma responsabilité au niveau du parti. maintenant, euh, par rapport à, à, votre question, comment nous abordons ces élections, nous les abordons avec sérénité. Et, nous les abordons non pas en tant que jeunes seulement, parce que eh, à, notre, à notre niveau, au niveau de notre parti, que tu sois jeune ou moins jeune, tu, peux, tu as la possibilité de déposer ta candidature à tous les échelons. Mmh. La preuve est qu'actuellement, beaucoup de jeunes, peut-être y compris moi, sont en train de s'activer pour pouvoir participer aux élections locales, aux élections législatives et peut-être même pourquoi pas aux présidentielles. Tout dépendra des bagages que vous allez présenter et du poids que vous représentez au niveau du parti. Mhm. Parce que eh, il n'y a rien de forcé hein, en démocratie. Il n'y a rien de Si vous estimez que vous êtes valable, à tel ou à tel niveau, je pense que c'est un plus pour le parti pour que vous vous proposez parce que le, parti aussi a besoin des hommes valables qui peuvent remporter les élections. Mhm. Tout l'objectif des partis politiques, c'est de, gagner le pouvoir et de le conserver. Mhm. Et on euh, le gagne avec les, les, les, pions qui sont capables, eh, n'est-ce pas, de, de, faire cette mobilisation-là, de remporter cette victoire-là. Hmm. Et donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de poste réservé aux jeunes au niveau de notre parti, il n'y a pas de, de, tâches qui sont eh, dévolues exclusivement aux jeunes. Hmm. Donc, les jeunes, tout comme les moins jeunes, ont la possibilité nest pas, de déposer, et de, présenter leur ambition, de se battre pour leur ambition et de se battre pour les concrétiser. Hmm. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes en train d'aborder ces élections-là. Hmm. Et comme je l'ai dit, nous avons tout un, comment dire, tout un programme qui est lui-même élaboré par les jeunes, mhm. n'est-ce pas mhm. Donc personnellement, moi, nous avons ce programme-là. Nous avons également les structures que nous sommes en train de, redynamiser pour mhm. pouvoir affronter ces élections-là. Et tout ça, c'est fait sans pour autant tenir compte de la distinction homme, moins jeune, vieux, etc., etc. Nous le faisons en tant que militants du parti, tout simplement. D'accord. Donc, euh, euh, nous avons l'habitude de constater que les jeunes, souvent, ont des difficultés euh, de pouvoir assister pleinement au processus électoral compte tenu des difficultés souvent financières ou bien euh, compte tenu d'un certain nombre d'obstacles que rencontrent les jeunes. Au niveau de votre parti, euh, est-ce quels sont les moyens dont disposent les jeunes pour pouvoir participer pleinement au processus Non, nous, au niveau de notre parti, ce ne sont pas des individualités qui financent quoi que ce soit. Hmm. C'est le parti en tant qu'organisation. Hmm. Le parti a son mode, n'est-ce pas, de recouvrement des sous, des moyens qu'il met à la disposition de l'équipe de campagne et hmm. de toute autre activité liée au parti. Donc, et on n'a pas à se casser la tête que j'ai les moyens ou que je n'ai pas les moyens. Si je suis conscient de, de, ma capacité à pouvoir pourvoir à un poste, mhm. l'essentiel c'est que le parti soit d'accord, que je, puisse. C'est là le mécanisme démocratique au niveau du parti. Si je suis, j'ai le quitus du parti, je suis candidat au nom du parti. Et s'il y a quoi que ce soit à financer, le parti en tant qu'organisation prendra ça en charge. Mhm. Donc c'est pour cela que eh, nous, à notre niveau, on, vraiment, ce n'est pas notre préoccupation de mhm. savoir savoir qu'un tel est riche ou un tel n'est pas riche pour pouvoir ce n'est pas l'élément fondamental. L'élément clé, c'est la capacité, de, c'est la capacité du militant à mhm. pouvoir et pourvoir au poste qu'il veut remplir. Mhm. voilà un peu de, quoi il s'agit. D'accord. Donc euh, merci Abdelaziz euh, Maman Mayaki. Nous allons revenir euh, avec Nassir Bodo, qui est le président du comité exécutif du directoire du mouvement Tous pour la République. Vous vous préparez activement, monsieur Nassir Bodo, à participer en tant que jeune au processus électoral en cours. Dites-nous comment vous vous organisez et quels sont les moyens dont vous disposez pour participer à ce processus. Eh, merci, Monsieur Mustapha. Effectivement, nous sommes en pleine euh, organisation, en pleine préparation de, des échéances électorales à venir. Et les moyens dont nous disposons, c'est d'abord le cadre démocratique, puisque nous sommes en démocratie, donc euh, il n'y a pas eh, une catégorie de citoyens qui serait exclue par exemple, de, de, prétendre, en tout cas tant que la personne remplit les, les, critères prédéfinis par les lois et les règlements de la République. Donc c'est d'abord les moyens juridiques et les moyens démocratiques démocratique, comme je l'ai dit, et par rapport au financement, parce que bon, c'est toujours là le problème pour mm. des, des, des, gens qui sont organisés en indépendant, parce que, et il l'a dit, ils sont, ils sont un parti, c'est les partis qui financent, même s'il a fait du politiquement correct en refusant certaines réalités internes à tous nos partis, ça c'est une mm. réalité à ne pas nier, c'est que souvent le poids économique joue même dans les partis. Voilà, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est effectivement une réelle difficulté, mais à laquelle nous allons trouver des solutions, que nous sommes en train d'ailleurs de trouver des solutions pour pouvoir supporter les frais liés d'abord aux, listes, mhm. la prise en charge des listes, mais aussi les frais de logistique et tout ce qui va avec. Mhm. C'est pourquoi déjà nous, on a des méthodes qui diffèrent mhm. avec celles des, partis politiques classiques, organisés, qui ont déjà une structure bien moulée et ancrée. C'est que nous, on fait de la proximité. Nous ne disposons pas des moyens de, l'État, ni même des moyens personnels pouvant nous permettre de parcourir des, des grandes distances sur l'échelle nationale. Mais quand même, comme nous avons choisi d'aller à des niveaux d'élection, au local et au législatif mhm. Nous faisons de la proximité, nous faisons du porte-à-porte, mhm. nous faisons des, des, des, des, fada à fada. Et effectivement, et pour répondre à un souci posé par Ablaïs, j'ai à donner la définition que nous, nous nous faisons de la jeunesse en mhm. politique. Ce n'est pas lié à l'âge. Et, chez nous-mêmes, on est organisé. le, le directoire est soutenu par des cellules. Dans ces cellules, il y a une cellule qu'on appelle la cellule chargée des affaires de la, liées à la jeunesse, le sport et la, à la culture. Mhm. Mais c'est que la particularité ici chez nous, c'est strictement euh, de l'apanage. Au fait, c'est les jeunes qui portent même le, mhm. c'est les jeunes qui portent le mhm. projet. Et c'est tout à fait euh, différent des autres structures de jeunesse qui sont, comme il l'a dit, il refuse les mots, confinés à des tâches spécifiques de leur couche. Mhm. nous, nous, ne fonctionnons pas de cette façon. La, la mixture, là, elle est déjà là, la mixité, elle est déjà là, mhm. et au niveau de l'organisation. Mhm. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant chez nous, c'est que c'est les jeunes eux-mêmes qui portent le message. Parce que le Niger a besoin du renouveau, le Niger a besoin du sein neuf, le Niger a besoin d'une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, nous, nous estimons que ça ne peut pas provenir des gens qui ont déjà montré leurs limites objectives du point de vue politique. Par rapport à la préparation, toujours, nous sommes en train de, de mettre en place aussi les, différents comités de mhm. mobilisation au niveau des communes et qui seront aussi décentralisés au niveau des, quartiers de chaque commune. Parce que pour le moment, nous sommes en train de cartographier mhm. d'abord les, les régions dans lesquels nous serons capables d'amener mhm. des listes ou peut-être des candidats qui seront parrainés par le mouvement. Comme je y allais dire, c'est pas réalisme aussi. Mhm. Comme il l'a dit, nous sommes réalistes parce que nous faisons avec les moyens mhm. dont on dispose. Et ces moyens, Dieu merci, en démocratie, c'est vrai, c'est difficile. C'est ce qui freine les gens. Les jeunes, surtout les jeunes, ils pensent qu'il faut vraiment beaucoup de milliards. Hmm. C'est vrai, malheureusement pour nous au Niger, les gens ont habité, les Nigériens à une politique basée hmm. sur l'argent. Ça, il faut, il faut pas se les cacher. Mais nous, le message dont on est porteur exclut l'argent comme moteur hmm. même de la politique. On ne peut pas faire de l'argent moteur de la politique et espérer qu'un élu puisse être redevable. Parce que c'est surtout la question de la redevabilité qui nous a mobilisés, nous. Parce qu'on ne peut pas élire des élus locaux, on ne peut pas élire des députés qui dans l'exercice de leurs fonctions, sont totalement insensibles aux plaies, aux, lamentations, aux attentes des populations qui les ont pourtant élis. Et ça, personne ne peut les nier. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est fait d'anciens partis qui sont là, qui nous ont habitués à ça. Le message, c'est le message de l'argent. Aujourd'hui, nous, beaucoup nous appellent qui vous finance Comme si la politique est impossible sans argent. Or, la politique, c'est d'abord une question de conviction, c'est une mmh. question de vision. Et nous, c'est nos visions qu'on va proposer, c'est nos mmh. convictions qu'on va proposer aux gens mmh. en termes de quoi ou comment on va faire pour servir les gens. Et là, Ablaïs a dit quelque chose que je, conteste de mon point de vue. L'objectif d'un parti politique ne doit pas être d'avoir le pouvoir et de le conserver, mais c'est d'avoir le pouvoir et le mettre au service des gens. Vous ne pouvez pas faire de la politique juste parce que vous aimez le pouvoir et le conserver. Mais le pouvoir, à quoi il doit servir C'est la question fondamentale. D'accord, donc euh, merci, merci, merci, merci, euh, euh, Nassir Bodo. Nous allons observer à présent une petite pause avant de venir à la troisième partie de notre forum qui sera consacrée aux défis différents et perspectives que nous pouvons proposer aux jeunes ensemble pour la participation au processus euh, électoral. Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, nous sommes en train de parler de la participation des jeunes Nigériens dans le processus électoral en cours une jeunesse laissée depuis plusieurs décennies à la marge des questions politiques et de la prise de décision, mais qui de plus en plus veut révolutionner le système et en intégrant des partis politiques, mais aussi en créant des structures. Voyons à présent les défis, les difficultés et parlons des perspectives. Monsieur Abdelaziz Maman Meyaki, deuxième euh, adjoint chargé à la communication au niveau du Bureau exécutif national de la jeunesse, de l'organisation de la jeunesse Tareya, Dites-nous quels sont, euh, selon vous, aujourd'hui, euh, quel est le véritable défi de la jeunesse nigérienne en matière de participation électorale Eh bien, <clears throat> le défi fondamental, hein, à mon sens, c'est la mentalité que Bode vient de décrire. Et ça, c'est imputable aux jeunes qui sont les seuls responsables d'avoir adapté cette mentalité-là. Mhm. Aujourd'hui, eh, beaucoup de jeunes en politique pensent qu'ils le font pour quelqu'un mhm. et, qui devaient être redevable, pas non, plus au sens hmm. et eh, Bodo avait interprété la redevabilité, mais plutôt au sens individuel, c'est-à-dire qu'eux, ils soient rémunérés comme s'ils sont dans une logique de mercenariat hmm. au profit de quelqu'un. Hmm. Alors que, eh, à mon avis, ça devait être la construction de tout un idéal mm-hmm. pour lequel on se bat, eh, n'est-ce pas Et le cadre approprié, en pareille circonstance, c'est la politique tout ce qui est corollaire à la politique, tel que les autres mouvements qui participent à l'animation de la vie démocratique, comme je l'avais souligné. Mhm. Donc il faudrait fondamentalement que les jeunes se battent contre cette mentalité, mhm. qu'ils ne se lancent pas en politique parce que j'ai vu un tel a eu X ou il a eu Y, dans la politique. Non, parce que et voilà ce qui est mon idéal et je pense que le moyen le plus sûr de l'obtenir, c'est de participer à la vie politique en prenant ma carte dans un parti politique ou en créant un mouvement ou en créant un parti politique. Mhm. Donc voilà ce qui devait être la conception jeunes. Il faut que les jeunes luttent contre cette mentalité-là. Hmm. J'ai fait une petite digression sur le financement des, des, des, des processus, bon, pas du processus électoral, de la campagne électorale des, candidats. Hmm. Nassour a fait un peu cas de ça. Moi, j'ai dit ce qui est vrai. Notre parti, c'est comme ça le mécanisme de financement de tout ce qui est. Si les gens ont des, choses individuelles à faire, ils peuvent le faire comme, les, comme chez les autres, comme d'autres parties comme chez les, les, les, autres particuliers. Mais je vous fais signaler, vous qui, vous qui, qui estimez vous baser sur ça, que ça fausse carrément beaucoup de choses parce que c'est pratiquement, ça ressemble à un investissement dans une entreprise. Mm-hmm. Ok, si c'est individuel, si c'est personnel, j'ai mes moyens, eh bien, c'est comme si j'ai fait un investissement envie d'avoir un résultat et qui ne peut être que financé puisque c'est dans le cadre d'une entreprise. Voilà pourquoi il faudrait éviter ces, financements individuels pour aller dans une, euh, dans une forme de financement plus ou moins collectiviste, plus ou moins euh, volontariste et mhm. plus ou moins, euh, si vous voulez, synergique. Donc c'est cela, puisque à la longue, cela compromet cette redevabilité-là quand c'est un témoin individuel que tu as injecté, et qui est bon, parce que tu es élu, quelqu'un va s'attendre à que tu te, tu te décarcasses pour autre chose, ça, ça s'avère un peu compliqué. Mhm. Vous voyez Et mhm. donc, ça compromet également les attentes de ces populations-là. Parce que toi, tu te dis que bon, tu les as payés pour faire telle chose, et que bon, tu ne comprendras pas pourquoi ils ont des attentes vis-à-vis de toi. Mhm. Donc, ça fausse carrément le jeu démocratique. Et c'est pour cela, à l'instar de notre parti, nous souhaitons que tout mouvement qui se crée, qu'il puisse avoir un mécanisme de collectiviser ses finances que ce soit euh, l'organisation mhm. qui finance. Si c'est une organisation qui finance, eh bien, vous savez bien que c'est un truc collectiviste et donc vous êtes redevable vis-à-vis eh, des gens qui vous ont élus. Mhm. Donc voilà pourquoi je pense que eh, cela peut travestir même eh, les attentes légitimes des populations quand c'est des, financements pareils. D'accord, donc on euh, a sur Bodo, dites-nous, euh, selon vous, quel est aujourd'hui le défi auquel la jeunesse fait face au sein de votre structure pour euh, vraiment euh, participer pleinement au processus électoral Quel est aujourd'hui, selon vous, le défi de la jeunesse nigérienne Bon, avant de, répondre, j'aimerais lever un petit malentendu. Moi, je n'ai pas dit que nous, chez nous, c'est les individualités qui financent. Non, c'est un mouvement, il est là. Le mouvement a ses mécanismes comme les partis. Seulement, nous, nous ne sommes pas à votre niveau. PND, ce n'est pas un parti d'aujourd'hui. C'est un parti qui est bien moulé, ancré, qui a euh, tous les mécanismes d'autofinancement et de tout ce qui s'ensuit. Mais nous, nous, nous venons d'entrer en politique et nous les faisons sur la base volontariste. Aujourd'hui, nous, avons, nous sommes en train de constituer des listes. Et ces listes-là, les frais seront supportés par tous ceux qui sont adhérents et consorts. Donc ça, c'est la collectivité. C'est le collectif qui, finance. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Et par rapport à la redévabilité, c'est surtout la redévabilité politique. Mhm. Ce n'est pas une redévabilité où eh, j'ai financé, où tu m'as financé, je dois être c'est la redévabilité d'abord par rapport au mandat on t'a donné un mandat, tu mhm. dois rendre compte. J'ai bien dit à l'égard de la population. Mm, voilà, donc euh, c'est pour lever ces malentendus. Mais pour moi, le défi mhm. essentiel pour la jeunesse nigérienne, moi, je, le vois au-delà même de ces élections-là. Mhm. Parce que les élections, c'est vrai, c'est des étapes. C'est des périodes, comme vous l'avez dit, où il faut renouveler euh, la classe qui gouverne ou un gouvernement. Mais le défi, c'est d'abord le respect des choix que nous avons faits. C'est quoi les choix là c'est le choix d'être une république, hmm. c'est le choix d'être une démocratie. Hmm. Donc maintenant, moi, pour moi, les défis essentiels, que ce soit pour la jeunesse et même pour les autres citoyens, c'est d'abord comment assumer ces choix et les exigences qui vont avec. Parce que il ne suffit pas d'aller aux élections pour aller aux élections. Il ne suffit, pas d'aller aux élections pour, euh, je sais pas, frauder et gagner. Non, hmm. parce que les gens disent que tous les moyens sont bons pour atteindre un pouvoir ou un objectif. Ce n'est pas ça la démocratie et ce n'est pas ça la République. Donc maintenant, par rapport aux défis, les défis, c'est que nous devons, en tant que jeunes, mhm. être capables de proposer une nouvelle alternative au pays. Parce qu'on ne peut pas condamner l'histoire du pays à l'histoire d'une génération. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce que nous avons remarqué, il y a une génération qui a fait ses preuves. En bien ou en mal, elle a déjà fait ses preuves. Elle doit faire place à une génération nouvelle. Et ça, ce n'est pas en quémandant ça ou en demandant ça, non. Ça, c'est aux jeunes de se battre, certains en décidant d'intégrer des partis qui existent déjà, certains en se disant, mais écoutez, je ne peux pas rentrer dans le système pour ne pas en sortir avec les mêmes tares que je combattis. Donc, c'est des, approches elles peuvent se compléter, parce que dans tous les cas, c'est une question des générations Souvent, les gens ont même les mêmes idéaux, mais les méthodes diffèrent. Mhm. Donc, nous, pour nous, le défi, c'est vraiment d'amener la jeunesse, comme il l'a dit, à changer d'abord la mentalité. Parce qu'il ne faut pas aller aux élections pour être élu et espérer avoir un véhicule, espérer avoir une maison, des facilités comme ça qui motivent les jeunes. Il faut mm. les reconnaître. Et nous, notre défi, c'est d'abord ça. Parce que si aujourd'hui des gens comme nous, étudiants, souvent chômeurs, et des fonctionnaires moyens mhm. avons décidé de nous engager en politique. D'abord, nous avons pari ridicule aux yeux des gens parce qu'ils ne nous voient pas dans des 4x4, ils ne nous voient pas dans des, des gros cylindrés. Ils pensent que nous n'avons pas les moyens et que la politique, c'est une affaire des gens qui ont les moyens. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'entreprise. Ce n'est pas, c'est des actes volontaristes. C'est avoir l'amour de servir les autres. C'est ça la politique. Parce que quand tu recentres la chose sur toi, ce n'est plus de la politique, c'est plutôt une recherche euh, du bonheur personnel. Hmm. Or, la politique, on l'a fait parce qu'on aime servir les gens, parce hmm. qu'on aime, on aime apporter son plus, sa hmm. contribution pour faire évoluer la collectivité. D'accord, donc euh, merci, merci Nassir Bodo. Vous êtes le président du comité exécutif du directoire euh, du mouvement Tous pour la République. Écoutons à présent Abdelaziz euh, Maman Meyaki, euh, selon vous, quelles sont les difficultés aujourd'hui que rencontrent les jeunes pour la réalisation de leur ambitions euh, ambition Bon, la première difficulté, c'est le défi que j'avais souligné, cette mentalité-là. Mhm. et, maintenant, la deuxième difficulté, c'est la définition même de l'engagement politique. Mhm. Vous comprenez, Bodo le dit tout de suite, que quand on s'engage, il faut s'engager pour servir. Mhm. Or, beaucoup ne définissent pas l'engagement comme étant tel. Mhm. Ils définissent l'engagement comme étant le moyen de parvenir à, euh, à se réaliser mhm. personnellement. Et ça, c'est une difficulté. Mhm. Et cela fait en sorte que eh, parfois, la confiance même qu'on cherche à gagner, on ne la trouve pas. Beaucoup eh, reprochent ou ils confondent le concept jeune à celui d'enfant, c'est eu égard à ce genre de choses. Quand on constate que eh, au lieu que vous fassiez une réflexion d'un adulte, vous faites une, euh, réflexion. une réflexion carrément centralisée sur votre personne, et alors que les défis sont énormes dans la société. Mhm. Au lieu de, de, de, de, tracer un programme sur comment je vais faire développer ma commune, mhm. tu fais un programme caché sur comment te développer toi-même. Mhm. Eh bien, tu travailles dans un environnement avec certainement des gens qui ont une certaine perception, même s'ils ne pratiquent pas Mm-hmm. la chose quand même, ils ont une perception sur comment il faut servir la population. Mm-hmm. Et donc ces gens-là n'auront jamais confiance à toi. Mm-hmm. Ça constitue de facto un obstacle parce que même si vous proposez votre candidature, s'ils sont conscients, ils seraient les premiers à poser la barricade. Et ils ont raison, vous avez tort, parce que mm. euh, ce n'est pas l'idéal sur lequel on devait, on devait, se battre. S'engager en politique. Voilà. Et mm. notre obstacle, c'est, euh, si vous voulez, le fossé que certains jeunes ont créé entre eux et l'électorat. Mhm. Beaucoup n'ont pas cette notion de redevabilité parce qu'il faut se le dire, hein, les, nous avons étudié, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, mais n'oublions pas que c'est avec les taxes et impôts que les autres ont payé mhm. et que nous avons une dette vis-à-vis d'eux. Mhm. Nous ne pouvons pas les payer quel que soit le, montant de notre salaire par notre propre poche, nous ne pouvons pas le faire. Mais en faisant un engagement sérieux en politique, nous pouvons trouver des formules pour leur remonter l'échelle. Mhm. Parce que c'est eux qui nous ont propulsés là où nous, sommes, nous, sommes, nous, sommes, arrivés par leurs contributions diverses. Mhm. Donc il faudrait que nous trouvions un moyen de les servir. Et le moyen de les servir, c'est d'avoir un engagement sincère, d'obtenir ce que nous voulons obtenir et de les mettre à leur service. Mhm. Donc voilà une autre dimension d'obstacle euh, chez les jeunes. Et un autre niveau, c'est aussi dans certains partis politiques et je, l'affirme fièrement que ce n'est pas le cas de notre parti, c'est l'usage qu'on fait des jeunes dans des actes de violence, particulièrement quand on organise des élections dans les pays, dans la plupart des pays africains. Cela est visible, ce n'est pas seulement au Niger, hein c'est un peu partout en Afrique et parfois même eh, chez là où on prend le modèle pratiquement de, la démocratie, on constate ces petits tards là mhm. que on qu'on utilise les jeunes pour poser des actes de violence. Ça s'est passé ici au Niger plusieurs fois et ça s'est passé dans d'autres pays. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Vous voyez mhm. Donc, eh, cet usage malsain de, de, la vigueur, de la vivacité de la jeunesse est aussi un obstacle pour elle-même. Parce mhm. que même celui qui vous utilise pour un acte de violence, eh bien, il a conscience que demain, s'il y a un autre acte autre que celui de la violence, il ne va pas faire appel à vous. Mhm. Parce que vous, voilà là où vous êtes as, comme on le dit entre griffes. Mhm. Donc voilà, tous ces paramètres-là eh, constituent des, des, des, des, barrières que les jeunes se doivent de franchir. Et ici, je parle des jeunes, toute, euh, toute, tendances confondues. Il faudrait qu'en tant que jeunes, nous soyons en mesure de franchir ces barrières-là et de nous comporter en, en démocrate en bon adulte, c'est-à-dire en mm. sachant là où on veut là où on veut aller. Et je pense que eh, notre engagement en ce moment-là, il ne sera pas un engagement ben vain, il sera un engagement eh, fructueux au profit eh, de la population, que nous euh, D'accord, merci, merci Abdelaziz. Nous allons écouter également euh, Nassir Bodo, qui est le président du directoire euh, du comité exécutif du directoire du mouvement Tous pour la République, pour qu'il nous dise quelles sont, selon lui, les difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui pour la participation au processus électoral. Eh, merci Mustapha. Bon, les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Hein. Déjà, Blaise a parlé de, de la mentalité des mhm. jeunes. Déjà, c'est même la difficulté principale, si vous voulez, parce que les jeunes n'ont pas encore, de mon point de vue, pris conscience de leurs force et aussi de leurs devoir. parce qu'on a parlé de redévabilité mhm. et on a parlé de, de, de, ce que nous sommes devenus à cause de, des impôts payés par d'autres citoyens et que cela doit créer un sentiment de redevabilité par rapport à ces, à ces autres citoyens. Donc la difficulté d'abord c'est ça. Il faut que le niveau de la mentalité change. Et cette force-là, lui il l'a dit, elle est aujourd'hui instrumentalisée. Mhm. Il a parlé de, de, violence lors des élections, mais bien avant, aujourd'hui au Niger, il y a une autre violence qui est là, bien avant les élections, et dont même son parti est acteur, puisque le parti a, aussi des militants, des jeunes militants. quelle est cette violence Cette violence-là, elle est verbale. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, personne ne peut ça. Les anciens partis, ce n'est pas seulement son parti, mais tous les partis, en tout cas surtout les principaux qui s'opposent aujourd'hui au Niger, ils ont des pas des mercenaires, mais quand même, ils ont des agents qui mhm. sont sur les réseaux sociaux et qui tirent sur tout le monde, qui insultent tout le monde. Et aujourd'hui. C'est qui les insulte. Oui, non, moi je pense que ce n'est pas ça la formule. Ce n'est pas ça la formule. Aujourd'hui, moi je suis un citoyen. Tout bonnement, je peux me réveiller. Une question de politique publique se pose. Si le gouvernement pose un acte salitaire, je salis, je passe. À ce moment, on ne m'insulte pas. Mais quand le gouvernement pose un mauvais acte, en tant que citoyen qui paye derrière ses impôts, je sors, je porte ma critique. C'est un autre citoyen jeune qu'on hmm. utilise pour m'insulter. Hmm. Donc il faut qu'on soit d'accord et que des jeunes comme Ablaïs qui l'ont compris expliquent aux autres. Parce que la politique, ce n'est pas, ce n'est pas de la violence, hmm. ni verbale, encore moins physique. Donc il y a cette instrumentalisation-là qui est sous multiples formes. Qui Ça peut un obstacle. Voilà, qui constitue un obstacle parce que quand vous êtes instrumentalisé, ça veut dire que c'est de l'endoctrinement. Mhm. Vous ne savez même pas ce que vous valez en mhm. réalité. Mhm. On vous utilise comme on veut. Et lui, il l'a dit, la conséquence, c'est que quand il y aura un besoin de faire appel à quelqu'un pour d'autres actes plus nobles, on ne ferait pas appel à toi. Puisque toi, tu n'es bon que pour insulter les parents des gens, tu n'es bon que pour insulter les adversaires aux patrons politiques qui t'ont employé. Donc voilà tous ces paramètres-là. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle est financière. Et ça, on ne va pas nier ça. Les jeunes aujourd'hui, par exemple, tu as beau avoir les idées, tu as beau avoir le sens de redevabilité et un projet, mhm. tu es obligé, pour porter une candidature, tu es souvent obligé de te référer ou de militer même dans un parti en espérant te faire parrainer. Et même là, tu vas buter à une autre type de, euh, à un autre type de difficulté. Hmm. C'est quoi C'est qu'il y a une certaine gérontocratie qui s'est développée. Même dans les partis aujourd'hui, je ne vais pas citer des noms, il y a des partis où, dans lesquels on a, aux, les élections législatives par exemple, mhm. des pères qui ont pour suppléant leurs enfants. Il y a des partis qui ont fonctionné comme ça pour les élections législatives. Or, ce n'est pas une question de famille. Hmm. Il y a aussi des, des gens qui ils sont, ils sont titulaires, leurs femmes sont suppléantes. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des difficultés qui font en sorte que le jeune, Mm. fils de pauvre, ayant tous les bagages, ayant tous les projets du monde, mm. qui soient bons pour, pour sa communauté, il ne peut faire prospérer cela parce qu'il n'a pas d'abord de quoi supporter même les frais de participation à une élection mm-hmm. législative ou, municipale. Un autre palier, c'est par exemple la communication. Et heureusement, là, c'est réglé avec l'avènement des réseaux sociaux. Les gens arrivent à se créer de la visibilité avec moins d'argent. Mm-hmm. Mais les moyens logistiques aussi, ça demande de l'argent. Il y a des gens qui ont lâche d'être présidentiable. Qui ont l'ambition. Qui, ont l'ambition, mhm. mais qui ne le peuvent pas. Parce qu'il y a ces problèmes d'argent-là. Mhm. Est-ce que vous voyez Donc, toutes ces difficultés, elles sont multiples, elles sont multiformes, mais elles ont pour base, pour moi, hein, c'est la mentalité. Parce mhm. que quand les jeunes, la jeunesse là, il a parlé de vivacité, la jeunesse c'est la vivacité, c'est l'audace. Maintenant, comment même en tant que des jeunes qui sont, et ils évoluent dans des partis, nous on est en indépendant, on peut espérer travailler ensemble si les idées convergent. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles tous les jeunes sont d'accord. Mhm. Le changement, là, tout le monde le Mais aujourd'hui, si ablaï se retrouve au Parlement avec quelqu'un d'autre qui soit d'un autre parti, mhm. c'est à eux de trouver le mécanisme, pour avoir un centre d'intérêt conforme à l'intérêt général. Mhm et défendre l'intérêt général, indépendamment des partis. Et aujourd'hui, Ablaïs l'a dit, il a fait preuve d'irréalisme ou je sais pas, il a voulu contourner une vérité. Les partis défendent leurs intérêts, les partis ne servent pas. Une des raisons pour lesquelles on subventionne les partis, c'est pour pouvoir former leurs militants. Mhm. Leurs militants, c'est qui C'est les populations. Mhm. Il y en a beaucoup de partis aujourd'hui, même la Cour des comptes a décelé des irrégularités dans les partis politiques, mhm. dans la gestion des fonds qui leur sont alloués. C'est des problème à régler. Et on ne peut pas régler le problème avec ceux qui créent le problème. Ce hmm. Ceux qui créent le problème, c'est les acteurs des systèmes qui aujourd'hui sont constitués en oligarchie. Ils ne voudront jamais émergent des gens comme Assise qui ont des nouvelles idées, des mhm. gens comme Baudou qui disent non, nous n'allons pas nous soumettre au dictat d'un parti euh, qui ne respecte pas l'intérêt général. D'accord, merci, merci, euh, président du directoire du comité exécutif du mouvement Tous pour la République. Nous allons écouter Abdelaziz. Nous sommes aujourd'hui euh, la journée internationale de la jeunesse. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous aimerions que vous nous dites à en termes de perspective, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la jeunesse euh, du bureau politique des jeunes ou bien de la jeunesse en général en guise de perspective pour la participation au processus électoral eh bien, donc euh, l'appel que j'ai à lancer eh, aux jeunes, je vais commencer par répondre à une préoccupation qu'il a soulevée. Hmm. Et c'est surtout euh, de participer de façon responsable à tout le processus. Quand je dis de façon responsable, c'est-à-dire de ne pas se laisser instrumentaliser, parce qu'avant tout, et la construction de l'édifice démocratique, c'est à nous que ça profite. Parce que, et comme le dit, même si c'est devenu une chanson populaire, l'avenir, c'est la jeunesse. Mhm. Et donc, je prends cela comme vrai, en ce sens que, quand même, les jeunes ont plus de probabilités de, de, de voir longtemps dans l'avenir et que celui qui a un âge assez avancé. Et donc, c'est nous qui avons intérêt à la conservation du cadre démocratique. Donc, c'est nous qui avons intérêt à créer les conditions de sa conservation et par le fait de, de, de, nos agissements, mhm. n'est-ce pas Par le fait d'agir en responsable, et que ce soit sur les réseaux sociaux, comme il l'a dit, je n'ai pas la prétention de répondre les réseaux, sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même un domaine vaste où mhm. parfois on ne sait même pas qui intervient sur quoi. Mhm. Et quand il impute ça sur nos militants, je pense qu'il a totalement tort parce que quand vous prenez le rapport de la Cour de, de, comptes, elle ne fait pas des objections sur la, sur la gouvernance du PND Staria parce que c'est le parti, je peux dire que c'est le seul parti qui organise régulièrement des séminaires de formation et à l'endroit des militants pour éviter évidemment des invectives sur les réseaux sociaux ou bien les violences sur la rue, tout ça là. Donc je pense que nous devons au moins euh, avoir, ne serait-ce que de ta part, mhm. eh, n'est-ce pas, ce mérite-là mhm. d'avoir assuré cela. Donc je pense que eh, les jeunes, mm, toutes tendances confondues, euh, ont intérêt à la mm-hmm. conservation du cadre démocratique et donc ont intérêt à éviter tout comportement qui puisse mettre en péril eh, la démocratie. Je les invite également à participer, et tout comme le mouvement Tous pour la République, n'est-ce pas, au processus électoral, parce que quel que soit eh, ce que tu vas, tu, vas dire, les insultes que tu vas faire les, sur les réseaux sociaux, les menaces que tu vas proférer sur X, Y, si tu ne participes pas à la décision, c'est pratiquement, eh, un, si vous voulez, un, cri inutile, mm-hmm. un cri inutile qui n'apporte à rien une solution au problème qui est posé. Mm. Donc les jeunes doivent s'investir, quel que soit le niveau dans lequel ils se trouvent, pour pouvoir eh, faire de la démocratie et véritablement consolidée de notre, de notre, de notre pays. Et, et cela pour l'intérêt de la jeunesse, parce que mm. comme je l'avais dit, c'est elle qui a un longtemps dans l'avenir, et en tout cas par rapport aux plus âgés. D'accord, merci bien Abdelaziz. Nous allons euh, demander à Nassur Bodo de nous dire quel appel a-t-il à lancer à l'endroit de la jeunesse, ou bien en termes de perspective, quel est aujourd'hui euh, l'appel qu'il a à lancer à l'endroit de la jeunesse tout entière pour la participation aux prochaines euh, échéances électorales Le premier appel que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est de saisir ressaisir c'est de se ressaisir et croire, croire en elle-même, en ses capacités, et aussi avoir dans sa conscience plus profonde son devoir. Mhm. Parce que le Niger ne se limite pas à une génération. Mhm. Et comme il l'a dit, l'avenir appartient à la jeunesse. À la jeunesse. Euh, un autre appel, peut-être c'est un appel intéressé. Moi, j'appelle tous les jeunes qui hésitent encore à nous rejoindre en tant que mouvement des jeunes pour construire ensemble ce projet. Ce projet, certes, euh, peut-être très grand, mais pour le Niger, il n'y a plus, il n'y a pas, il y' a pas plus grand que, que, que, d'avoir un rêve d'un Niger qui, qui, qui, qui soit prospère demain, d'un Niger viable et vivable. Hmm. Pas de ce Niger que nous-mêmes, nous, dénonçons les Niger de l'injustice sociale, les Niger de la corruption endémique jusqu'au sommet de l'État. On ne peut pas avoir les solutions à ces problèmes tant qu'on ne s'engage pas, soit politiquement, soit du point de vue de la société civile, pour mm. pouvoir au moins, au moins être présent dans les débats publics et donner ces points de vie qu'on connaît ou qu'on croit meilleurs que ceux des autres, qu'on dénonce. Mm. C'est très bien, c'est très bien. Super, merci, merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique de la place et du rôle que la jeunesse occupe dans le processus électoral en cours afin de savoir l'importance et l'implication de la jeunesse dans la vie politique de l'État, connaître les difficultés et lancer des appels en guise de perspective. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés à travers ces 45 radios partenaires. Nous étions dans ce forum en compagnie de Abdulaziz Maman Meyaki, qui est le deuxième adjoint chargé à la communication au niveau du BEN OJT, Bureau exécutif national de l'Organisation de la jeunesse Tareya, et également de Nassir Bodo, qui est le président du comité euh, directoire, du directoire du comité exécutif du, mouvement Tous pour la République. Nous avons également invité Ibrahim Bana, qui n'a pas répondu au présent forum et euh, à la présentation, vous êtes avec euh, Bakim Batoura Al-Mustafa. La technique était assurée par euh, Isaka et au niveau de la réalisation, Mustafa Ayouba. Merci et à bientôt pour un autre forum sur des thématiques d'actualité.